asalaamaaleykum mbok internet yi bienvenue dans hip hop DA hip hop nak dafa nek en fête quoi hip hop mo nek mo am fête bu rëy parce que buñ né show of the year ñep xam nañ mom moy show de l'année ndam gaay yi dañuy ay kilomètres kilomètres ñëw pour téwé ko ko lool mun nañ né dafa dépasser sax ben genre concert rek affaire yooyu ba tax tey dañ leen andil wa borom show of the year Nitdoff kii la Killer la naka nice nice frérot lépp jàmm yee lépp cool lépp tranquille ñu la nga internet yi waaw di déjà si déplacement bi um, di internet émission so voilà quoi ok fun fan la préparatif yi toll ci show of the year plein dedans ñu ngi instant bi ñu ngi montage c'est préparatif ou mise en scène préparatif puis communication Nous surtout. donc de faire le maximum de communication possible Donc quoi. ok mais quelles sont quelles sont les intentions quoi ce show comme d'habitude hein, franchement beaucoup de festivités beaucoup de beaucoup de bonne ambiance beaucoup de joie beaucoup de folie. Mhm. qu'on se lâche te lu ñu aussi tout le monde sait que nous à chaque fois chaque année on essaie vraiment de donner euh, le meilleur de nous-mêmes de donner du rêve du spectacle mm-hmm. on n'aime pas seulement ñëw rek def concert dem on aime bien créer des trucs de mm-hmm. ramener ne dina surprendre nit ñi dina leen vraiment voilà on aime bien innover des choses mm-hmm. que ça soit mon ex ci suñu scène que ça soit mon ex ci ci entrée que ça soit mon ex ci biir tout le temps ki j'ai vraiment un sentiment d'avoir assisté à un spectacle pas seulement un concert banal mais un spectacle un vrai spectacle. ok d'accord mais nous avons deux dates mhm. deux albums. Mhm. pourquoi pourquoi pourquoi faire double XL dans en fait c'est pas côté album c'est pas trop calculé. défi là là quoi. oui j'aime bien les défis j'aime bien les défis parce que le début bi défi il fallait vraiment oser le faire parce que aussi on se limitait ici à salle ou à ay donc moi quand je suis venu et que j'ai fait une tournée nationale après pour euh, vraiment concrétiser tout ça je me suis dit qu'il faut un truc grandiose quoi un truc big quoi donc du coup euh, début c'était un peu irréel les gens ils se disaient que les gain il est fou quoi donc on l'a fait avec un peu d'audace avec un peu de courage a les ñu si donc on sait on a su que ni vraiment qu'on demande bi mi quoi offre bi monde. donc défi le mais en même temps euh, bu fekkee euh, bu fekkee euh, deux dates on était un peu obligé def ko noonu pour pas nous répéter sur self c'est devenu def cinq fois Iba Diop mhm. il fallait vraiment ñu def quelque chose de nouveau on voulait Demba Diop finalement ça s'est pas fait on s'est dit que ni nañu nañu jël grand théâtre vu que nous ñun un objectif mooy def show bi festival peut-être bi premier nek première pas bi pour ñu dem air au festival bi bu ñu deux jours peut-être l'année dernière l'année prochaine on fera trois jours donc euh, le fait de ne pas avoir des Diop c'est un mal pour un bien et ça nous a ouvert les les yeux sur quoi comme quoi que ni y a un public qui xamni déjà grand théâtre ak confort grand théâtre ak sécurité grand théâtre moy gëna adéquat donc pourquoi pas offrir les deux les deux plateaux

l'idéal c'est ñu def ko parce que comme nous on était obligé à peine minuit qu'on ferme les portes mhm. parce qu'il y avait trop de monde Si suñu amul une responsabilité de fermer les portes peut-être bousculade de la femme bousculade de la femme, peut-être la femme.. na mhm. ce serait une erreur bête idiot euh, idiote de nos autorités parce que tout va se retomber sur nous..! Mhm. comme nous avons ko nous on a eu la présence d'esprit de fermer les portes à temps parce qu'il y avait trop de monde que sa jeunesse dem ba bëgg def quelque chose de plus de plus grand euh, di soucier ci ci ay euh, sécurité publique je pense que suñu autorité ñoo ñu waron jitu ci affaire bobu non. on a fait les démarches qu'il fallait ils nous ont fait paroter ils nous ont ils nous ont fait croire à des trucs yo xamanté si ni oui stade bi dañuy bañ pelouse bi commencé wuñ ko joxé du am concert match yi rek la la la la donc biñu démé ba nga xam si eux ils étaient dormir. ils ont dit ok d'accord y a pas de souci nous signé un cahier de charge nous sommes d'accord Pour lu fi monter am comme dégâts Nous nous assumer Nous jox ñu parole ñu dernière minute ils nous ont fait un sale tour ils nous ont ils ont dit que dem leen ci championnat championnat championnat bi comme par hasard ils ont fixé date du championnat du jour uniquement c'était pour nous faire un truc bizarre le gars qui gérait le truc des championnats ils nous ont dit que non des des finalement ils nous ont fait des trucs très bizarres. Mm-hmm. Euh, vraiment des raisons, c'est des raisons qui, qui, tiennent, qui tiennent pas la route. Donc on a fait ce qu'il fallait, on a fait les démarches qu'il fallait. On s'est plié à cette volonté-là. Nous okay. on l'a fait. Et quelques temps après, nous sommes ñu war a defaat suñu show ñun ñu dégg que nous li ñu doon refusé ñun. Mhm. ñi nga xam nous amuñu dara mais on essaie quand même de contribuer. Mhm. parce que show c'est un grand budget il y a des gens qui s'y retrouvent il y a des gens qui ont ramené ici on paye des taxes municipaux donc il y a des année pour ces régions. donc je pense que nous peut-être pas grand chose mais on participe quand même au développement de notre pays mm-hmm. donc si nous refusons un truc nous disons que quelques temps après ils ont accepté ça pour pour l'artiste. parce que sûrement il y a eu des dessous de table où il y a eu des trucs euh, vraiment vraiment louches Normes yi ñu doon wax ñu respecté ko ba artiste on a trouvé ça injuste mhm. donc on n'a rien encore une fois contre Maître James mais le fait que nous refusions Sénégalais qui travaille toute l'année ici au Sénégal mhm. qui paye ses impôts ses taxes ici au Sénégal mhm. accepter le un artiste on a trouvé on a trouvé ça injuste et il fallait qu'on le dise parce qu'il y a certaines personnes qui disent que waaw bu waa ji vidéo coup de bu mu def ak popularité bi nga am ci réew mi gars xam nañ bëri nga ay fans bëri ñi nga xam te bon nit dof rek la ñu nooyee mhm. yenn gars yi ne vidéo coup de bi nga def noonu est-ce que la peine quoi est jaroon na nga il fallait parce que il faut jur leneen benn genre ñun ñoo leen calmer xam nga ñun bu ñu bëggoon coow dañuy woo suñu ay nit daaw njëkk nañu woo ci ay wàcc ci mbedd dañoo war a jox suñu stade ñu leen non non ñu daw devons def vidéo parce que il faut que nos autorités ils commencent à respecter les artistes locaux parce que artistes locaux euh, d'accord c'est un mais on est des Sénégalais on est chez nous il faut qu'on soit à l'aise il faut qu'on soit vraiment chez nous nous sentir ay droit nous sentir le chez nous il euh, y a beaucoup de manque de respect il y a beaucoup de de complexes d'infériorité et il y a beaucoup de choses bizarre bu faites que ni on n'avait pas fait coup de gueule boobu parce que nous, dañoo rek lancé le truc pour voir ce que ça que ça allait donner si on avait fait profil bas dañuy ñëw def concert comme ça suñu kaw c'était insultant pour les sénégalais ñu bëgg fait alal ñu bañ nous ko jox parce que peut-être il y a eu un promoteur bu jaar ou des trucs bizarres comme ça. Mhm. par principe on se devait de le dire on n'a jamais appelé à la violence ou à interdire déjà ku c'est une vidéo voir dès le début. Mhm. on ne veut rien qui ressemble à ça. on voulait juste souligner le fait que les autorités ne respectent pas les artistes locaux. les artistes qui cotisent les artistes qui payent les taxes on ne les respecte pas on ne les considère pas et euh, et puis il fallait vraiment que une personne qui le dise peut-être que ni dana tax ñuy des gestes comme ça ñu réfléchira deux fois parce que le peuple sénégalais peut-être que na casse bari na lii mais fayda quand tu fais des trucs injustes à ses enfants le peuple sénégalais est prêt parfois à réagir donc le après suñu euh, vidéo on a eu belle élan de solidarité pour les des sénégalais parce que c'est une injustice c'est ni plus ni moins qu'une grande injustice pour nous à un fils sénégalais Et bon on s'est rabattu sur suñu ñaari quelle que soit l'injustice bu nous on fait nous on fait confiance à à Dieu et aux Sénégalais

Karbala mhm. Boy 7 Shoxi mhm. ban importance le boy am ban impact la gars am show of the year Wa man euh, erreur bi ñu suñu grand dal ñun. Mhm. parce que suñu grand ils étaient trop moi moi moi moi moi moi moi donc euh, nit ki il faut que sang nga xalaat suite bi lan lay don. parce que mënul sommes tout le temps yow. Nous, ça fait 10 ans, on est au devant de la scène. Les gens nous ont donné beaucoup d'amour, beaucoup de respect. Il y a une génération qui vient, nous, nous donner beaucoup de puissance nous responsabiliser les qui s'affichent avec nous dans nos plus grands concerts, qu'on nous que sont nos zéros. Donc ils sont aux même étapes que nous, que nous nous faisons que tout le temps. Il y a un moment donné où on donne de la puissance à ce qui vient pour que rap du monde Les gens ils ont besoin de voir des nouvelles têtes, une nouvelle fraîcheur. Dans l'ordre une nouvelle génération, il y a beaucoup de gars crédibles, il y a beaucoup de gars qui ont du talent donc ñun sommes biñ mère mere woon suñu yenn grand yi bëgguma man suñu petit frère yi ñu suñu génération donc j'essaie vraiment man d'ouvrir au maximum les gens me reprochent d'inviter beaucoup de gens voilà d'être trop généreux jusqu'à même me priver de beaucoup de choses mais euh, reproche bu neex quoi je préfère reproche reprocher plutôt que ñu ne ma ñu il égoïste il veut juste euh, faire passer sa gueule avant les autres je préfère New wax mais je vais passer trop les autres avant moi moo ma gënal quoi. ok ok deux deux dates deux albums c'est du lourd bro ah. waaw waaw te gars yi waxagoo leen waxagoo ba léegi gars yi album yi soit nous ñaar ñooy bokk tour wala bu nekk benn tour la Ben tour la Ben tour la. ok mais mais en fait lan euh, mooy particularité album yi quoi parce que ak ak ragal du jéggi raay bi gisoon nañ nga def ay ak ay ouais sont yoo genre son boxe et tout ça xam nga gars yi dañ ma un peu parce que côté hardcore bi laa mettre en avant les gens ils se disent que ni du way lor ñu def du way du des trucs sentimentaux alors que dafa mën a déglu wuñ ma depuis son premier album Saturday Night ay Baby Dance ay faale ma musul ñàkk son album parfois les gens ils se limitent juste sur un truc après ils font un jugement mais ceux qui écoutent ceux qui connaissent ne wax loolu jamais donc album bii j'ai montré beaucoup plus côté Bobo, côté euh, le côté social reste toujours ma priorité côté social amener spirituel amener le côté engagé panafricaniste bi ça me tient à cœur donc euh, c'est un album de qui a beaucoup de thèmes thèmes yo xam ay engagé engagé pour le peuple, engagé pour l'Afrique engagé ma vision sur l'AFB, bi engagé sur ma spiritualité euh, album bu 14 titres euh, je pense que les gens ils vont kiffer ils vont kiffer parce que y a des choses yoo xam ni ay registres yoo xam ne xaar il y a si non mi ngi ñëw yàggatul le 14 mais je pense qu'ils vont kiffer quoi sérieusement mm. yëpp nga a si ni bëggoon nañ gis Nit Doff ci facette bi wala ci facette ils seront servis et euh, les fidèles de Nit ceux qui aiment le rap classique hardcore mm-hmm. eux aussi seront servis donc on essaie de satisfaire tout le monde. la gis ci facette bu nekk quoi. waaw try en tout cas try naa <laughs> mais xoolal show of the year la popularité bu mu actuellement.

parce que fees boobu dina tax nit ñi commencé xoolee rap Galsen beneen regard dina tax booy new school yi dina am beaucoup plus de rêves, beaucoup plus de courage mhm. dina tax ba yenn partenaires yi font que ni le rap Galsen n'est pas populaire ils vont se rendre compte que waaw c'est un mouvement très populaire finalement qui regroupe du monde on est en train de apporter suñu suñu affaire peut-être que ni jour bi muy fay réellement jour bi ay partenaires ñëw jënd événement bi nga xam ne ñoom ñu buñ ci dugal sa

Euh, on va faire des concerts populaires pour sur Donc l'objectif n'est pas toujours financier, financier. L'objectif c'est vraiment de faire des vrais concerts populaires. Parce que lolo non que de hip hop galsen. Donc lolo moy mission on est en train de le réussir. Mhm. Buñu tollé euh, ci phase euh, mhm. naturellement les et puis voilà, on connaît le public, on connaît que c'est un public qui le pouvoir d'achat n'est pas si élevé que ça. Donc on n'essaye pas, on ne veut pas brutaliser les trucs. Quoi. On y va step by step. On a des gens qui ont 15 000, 20 000 Mais après, bon, nous sommes une mobile. Tu vois. Et puis nous sommes en parce qu'à chaque fois, même si l'entrée n'est pas, n'est pas chère, à chaque concert, nous sommes gagnés à millions. Ça veut dire que nous sommes Même si alal bi mais nous si bu finalement à la day bëri quoi. Mm-hmm. on parvient à payer les sommes on parvient à faire une grosse communication. on parvient à payer les si nous sommes si des dettes chaque fois nous si génn ak une petite bénéfice. mais espérons que partenaires yi bëri sponsors il y' a pas de sponsor pour le moment il y' a pas de sponsor pour le moment. Mm-hmm. on est en train de faire ça tout seul. on est en train de le réussir tout seul. et Alhamdulillah, le public reste le premier sponsor. Euh, et, puis, puis, ça va, quoi, tu nous, on se plaint pas. Quoi. Ceux qui veulent venir, qui viennent. Ceux qui ne qui viennent pas, ils ont leurs raisons à eux. Nous, on reste euh, avec nos principes, avec nos convictions. On ne change pas de discours, on ne change pas de façon de faire pour plaire aux sponsors. On est des gens vrais, on est des gens authentiques. Ce qui nous anime, c'est le bas peuple. Ce sont les gens qui n'ont point de bouche qu'on représente. Mhm. Peut-être nos discours dérangent, peut-être nos prises de position dérangent, Peut-être que le vrai rap conscient ne doit pas prendre poids ici au Sénégal. Peut-être on fait tout pour affaiblir le vrai rap conscient. Et que si tu fais du queso queso, rapidement ils viennent t'entourer. Mais c'est pas ça qui va nous ralentir. on a le public derrière nous et le public est le meilleur sponsor. Donc ceux qui veulent vraiment, ceux qui respectent la jeunesse et qui veulent vraiment aider la jeunesse à, développer cette musique qui euh, draine beaucoup de monde, ils viendront. Ceux qui méprisent la jeunesse, ceux qui ne veulent pas une jeunesse consciente qui réfléchisse, ils ne viendront jamais. Et nous, nous ne voulons pas de ces gens-là. Nous appelons les sponsors qui respectent la jeunesse, qui veulent que la jeunesse soit entreprenante, qui veulent que la, jeunesse soit consciente et réfléchie. Nous appelons ces genre de sponsors et ils viendront tôt ou tard. Et s'ils ne viennent pas aussi, on le fera avec le public comme d'habitude. Non, ils vont venir, ça c'est sûr. Mais bon, d'après d'après soumis quelques sources sources quoi. Mhm. gars yi moitié recette bi yëpp ko après une association bu Racine de l'Espoir. Mhm. pourquoi ce geste il le faut le, social bi dafa si man. Mhm. j'ai toujours fait c'est pas la première fois def nañ ko trois 3 s ñu récolté un million millions les victimes de l'inondation aussi ça les a vraiment aidés à mieux nekkoon une situation. Nous avons la ben goutte ci océan mais quand même on l'avait fait après euh, le hip hop pour ramener xam une musique vraiment sociale. dox ci social bi te man dama aussi donner di sens à ma carrière un truc beaucoup plus profond que l'aspect festif l'aspect euh, même si mes, messages sont souvent positifs mais je voulais vraiment pousser le bouchon plus loin nekk ci action bi social aider des gens des gens donner le bon exemple que les gens disent ou qu'il y a des associations crédibles qui luttent pour des enfants qui luttent pour des personnes démunies donc j'ai vraiment voulu les mettre euh, au devant de la scène faire parler d'eux peut-être qu'ils auront ils auront par la suite ils auront non seulement un budget mais ils auront des gens qui qui resteront en contact avec eux qui les aident qui vont les aider donc l'objectif c'est vraiment de montrer le côté social du hip-hop de, pas, montrer qu'on n'est pas là que pour le profit, que pour l'argent, que pour le business. On est là parce qu'on est des Sénégalais, on est des patriotes, on aime notre pays. On essaie de faire des choses qui font avancer euh, le pays. Donc je pense que c'est ça l'idée. L'essentiel. Mm. ok. ok, bro, l'émission tire à sa fin. Votre dernier mot bah écoute, j'appelle tout le monde à venir en calme, en paix, en état d'esprit de festivité et de faire mentir encore une fois les gens qui disent qu'on est violent ou agressif parce que ça fait plus de cinq fois qu'on l'organise, il n'y a jamais eu de problème, il n'y a jamais eu d'histoire, ça se passe toujours bien. Alors qu'il y a des milliers de jeunes avec toute cette foule de jeunesse et tout, mais c'est un public vraiment très responsable, très mature. Donc je les appelle à renouveler cette maturité, euh, cet état d'esprit-là, de venir en paix, qu'on passe une très belle soirée, que tout le monde soit content et qu'on pense bien, bien aussi à aider l'association Les Racines de l'Espoir. Encore dire merci. Euh, pour le déplacement pour l'occasion de me dire pour pour me laisser mon message. ok ok bro Les nag mayal internet yi C'est C'est <laughs> ah ils se disent qu'on est bête l'histoire se répète ils se disent qu'on est bête car c'est nous qui travaillons. pour LGLA. diikee may bomb bëti si ghetto bi la boot sama mbag rëppatal am na lu ma wax ci may si gaaw ci tëj gaat wax ci day gaat ku mooy jaar ci kawam doo ko day gaat ci ruu ne mawti kalaama kocc blow ne OG négasi xërëm ngir ma foog tëb ne leen kilaa ngi dégg jàmm maw ji duwin like basta fasta doo dégg masta def sa pay bi lasta sama pay di vasta indi kay di vasta dama tey ni baax sa ne ma ay li naag sa dama pay la maag sa liriika lii dama nef ci réem fit na mess réem damay def ki si yëpp laa def ji réem ki ñi defoon baay bi moo dee ci réem maa ngi daadaloo yaa ngi daabala maa ngi bardeloo yaa ngi gaabana maa ngi jàpp de fidèle ne cubana yow ngay jaayu ne pit ya ca kaabana foog VIP maa ngi tàng na am na jaar-jaaru mbedd te jàng naa KK for real. C'était Hip Hop DA avec Killa Killa Nit Doff di leen jox rendez-vous Sound of the Year di leen xaar yéen ñëpp nag na ngeen fa teew c'est la fête du hip hop yëpp on se rendez-vous.